Félicitations. Sois le bienvenu à ton miracle au nom de Jésus. Où est ton miracle Ton miracle, c'est pour quand Tu reçois ton miracle maintenant. Nous souhaitons la bienvenue à tout le monde et j'invite au podium l'homme de Dieu déverser la bénédiction sur toi. Quelqu'un crie gloire à Dieu. Ton miracle est venu. Mon miracle est venu. Ce soir, ça vient pour toi. Percée, guérison, miracle, délivrance le surnaturel venant sur chaque vie au nom de Jésus. Père, nous te remercions ce soir. Nous bénissons ton nom. Cette prophétie dans les champs sera accomplie. Miracle, guérison, salut, délivrance. La grâce de Dieu viendra sur chaque vie au nom de Jésus. Seigneur, nous croyons. Seigneur, nous recevons. C'est pour nous, même ce soir. Confirme-le dans chaque vie. Au nom de Jésus, nous prions. Dieu t'a déjà béni. Assieds-toi ce soir. Nous revenons en Ézéchiel. Ézéchiel est le fondement, est la pierre angulaire de la révélation de Dieu au cours de cette semaine de plus de bénédictions. Ézéchiel, chapitre 34, verset 26. Je ferai d'elle et des environs de ma colline un sujet de bénédiction. Je crois que tu vas me donner grand amen J'enverrai la pluie en son temps. Et ce sera une pluie de bénédiction. Ce sera une pluie de bénédiction. Attachez à voir cela. 36 maintenant, verset 11. Chapitre 36, verset 11. Je multiplierai sur vous les hommes et les animaux, ils multiplieront et seront féconds. Je veux que vous soyez habités. Et vous serez habités. Il va établir ta famille. Il va établir tes affaires. Il va établir ta vie. Toutes ces larmes de confusion, ces larmes sont effacées. et vous serez habité comme auparavant. Et je vous ferai plus de bien, plus de bien, plus de bien qu'autrefois. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Alors, joignez ces deux versets, plus de bénédiction et ensuite une meilleure vie. Plus de bénédiction et une vie élevée plus de bénédictions et une plus grande vie. Je te vois là-bas. Et tout ce qui semble, je ne peux pas avancer. Les portes seront ouvertes pour toi ce soir. Je ne peux pas me lever. La porte est ouverte pour toi ce soir. J'ai toujours des défis et c'est toujours comme ça dans notre famille. Et je ne peux pas. J'annule, je ne peux pas de ta vie. Tu peux. Je peux. Tu peux. Je peux. Je peux me lever. Tu vas te lever ce soir au nom de Jésus. Ce soir, je vous parle de le ministère. Le ministère du prophète de pluie pour une meilleure vie. Pluie pour une meilleure vie. Ézéchiel nous dit qu'il y aura des pluies de bénédiction. Ézéchiel nous dit qu'il y aura une meilleure vie et les pluies pour une meilleure vie. Et je veux poser la question à Ézéchiel ce soir. Qu'est-ce que tu peux nous dire Dis-moi, dis-lui, dis-lui, dis-lui, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les pluies pour une meilleure vie viennent. Parle, écoute, ouvre et avertis. Réclame, repens-toi et soumets-toi. Ézéchiel dit, c'est ce qu'il faut, il a pour nous. Et quand nous faisons 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, tu seras là-bas. Ta guérison est là. Ton salut est là. La puissance du ciel sera là sur ta vie au nom de Jésus. Pluie viendront sur ta vie. Nous allons considérer ces éléments l'un après l'autre. Premièrement, parle, parler pour l'accomplissement du septuple parler pour l'accomplissement du septuple averse de bénédiction. C'est ce que Dieu a dit à Ézéchiel, chapitre 3, verset 1. Ézéchiel 3, verset 1. Il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau et va parle à la maison d'Israël. Il me dit, verset 4, va vers la main d'Israël et dis-leur mes paroles. C'est comme ça les averses viennent, les pluies viennent, les bénédictions viennent. C'est comme ça le salut vient. C'est comme ça que le, sept, les, le septuple, les septuples de bénédictions viennent. Parle, parlez pour l'accomplissement. Verset 10. Verset 10. Il me dit, fils de l'homme, reçois dans ton cœur et écoute de tes oreilles toutes les paroles que je te dirai. Écoute de tes oreilles. Verset 11. Va vers les captifs, vers les enfants de ton peuple. Ta captivité sera ôtée ce soir. Vers les enfants de ton peuple, tu leur parleras. Vous savez, les plus viennent, le prédicateur vient, le prophète vient, le pasteur vient, l'évangéliste vient, et il parle, il te parle, et tu es là, et tu écoutes, et tu acceptes, et tu contemples, et tu embrasses, et tu dis, la parole que j'entends, c'est pour moi. Les plus viendront dans ta vie. La puissance viendra dans ta vie. Tout du diable sera dispersé et ôté de ta vie au nom de Jésus. J'ai dit, septuple averse. Septuple averse. Premièrement, le salut. Ce soir, le salut est pour toi. Deuxièmement, je vais entendre votre amen très bien. Deuxièmement, la sainteté. La sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et quand vous êtes là, vous êtes guéri, vous êtes délivré, vous êtes, vous êtes affranchi, vous êtes élevé, vous êtes promu et vos affaires prospèrent. Mais, vous savez, si vous avez tout le monde entier et vous n'avez pas la sainteté, sans la sainteté, personne ne verra le Seigneur. Sans la sainteté, personne. À la croisade, personne. À l'église, personne dans un pays ne verra le Seigneur. Alors, il nous donne le salut et c'est pour la pluie, la sainteté. Et ensuite, troisièmement, l'effusion. L'effusion, ça vient du ciel. Hein, et le Seigneur déverse ça sur ta vie au nom de Jésus. Quatrièmement, c'est la, la, la santé, la guérison. Si ta main ne marche pas, tu n'es pas bien. Si ton pied ne fonctionne pas, tu n'es pas bien. Pourtant, si ta langue n'arrive pas à parler, tu n'es pas bien portant. Si tes yeux ne peuvent pas voir, tu ne vois pas bien, tu ne peux pas. ce soir, la bonne santé pour toi, toute partie de ton corps, toute partie de ta vie recevra la transformation divine ce soir et tu seras bien portant au nom de Jésus. Si tu n'arrives pas à voir, tu verras. Si tu n'arrivais pas à parler, tu vas parler. Si tu n'arrivais pas à marcher, tu vas marcher. Si tu n'arrivais pas à sauter, bondir, courir, tu vas sauter, bondir, courir au nom de Jésus. Si tu n'avais pas un enfant et les docteurs ont dit quelque chose manque là-bas, quelque chose manque là-bas, ce soir, tu es bien pourtant guéri et ton enfant miracle est venu. La prochaine fois, quand nous aurons la croisade, nous irons à, Oyo le mois prochain. Et quand nous donnerons des témoignages là-bas, je vais attendre ton témoignage et tu me diras que tu es enceinte, que bébé est là. Donnez-moi un amen de porte à côte. La bonne santé, attente, tout ce que tu espères, tout ce que tu attends que Dieu fasse, comme notre Coran l'a dit, serre ma main, félicitations, c'est venu. C'est dit, c'est venu. Le recouvrement, le recouvrement est venu pour toi. Le recouvrement est venu pour ta famille. Le recouvrement est venu pour tout un chacun de nous. Ensuite, il y a la force. Tu es fort que le faible dise Ça, c'est les septuples averses et ça vient pour toi. Ce soir, tu ne vas pas rater ton miracle. Tu ne rateras pas sa puissance. Tu ne rateras pas la plus divine venant sur toi du ciel au nom de Jésus. Vous voyez quelque chose ici Ézéchiel 12. Ézéchiel 12, 25. Ézéchiel 12, 25. Car moi, l'Éternel, je parlerai. Dieu parle. Ézéchiel a parlé. Le prédicateur parle. Et ce qu'il a dit s'accomplira dans ta vie. Car moi, l'Éternel, je parlerai. Ce que je dirai s'accomplira ce que je dirai s'accomplira et ne sera plus différé et ne sera plus différé dans, de tes, dans tes jours, oui, de vos jours. Parfois, quelqu'un, et le, il a passé un et le diplôme, quand le diplôme vient, on dit qu'il est mort. Le diplôme est là, mais la personne qui est admise meurt. Parfois, tu as payé pour un véhicule. Maintenant, le véhicule n'est pas encore sorti. Avant, maintenant, quand on livre le véhicule, on dit que le monsieur est mort. Parfois, les gens prient, prient, prient, Et il veut avoir ceci, il veut avoir cela. Et avant que cette chose ne vienne, le monsieur est parti. Tu ne mourras pas avant ton temps. Tu ne mourras pas avant ta bénédiction, de tes jours. Il dit, oui, de vos jours. Je prononcerai une parole et je l'accomplirai, dit le Seigneur l'Éternel. Aujourd'hui, j'ai dit aujourd'hui, il prononcera la parole et le Seigneur l'accomplira dans ta vie. Verset, verset 28. C'est pourquoi dis-le, ainsi pas, le Seigneur m'envoie te dire est-ce que tu crois Est-ce que tu acceptes Est-ce que tu sais que tu auras tout ce que Dieu me dit de prononcer ce soir Est-ce que tu sais que tu auras tout C'est pourquoi dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. Il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. La parole que je prononcerai s'accomplira. S'accomplira. Gloire à Dieu. Ce soir, tu es béni. Gloire à Dieu. Ton miracle est déjà venu. Nous attendons seulement finir la session et la prière et les anges de Dieu sont là. Et ils, ça c'est pour toi, ça c'est pour toi, ça c'est pour toi. Et à chacun, parce que ce que je, prononcerai s'accomplira, dit le Seigneur l'Éternel. Quelqu'un crie Amen. D'Ézéchiel, qu'est-ce que tu dois faire Premièrement, parler. Ensuite, deuxièmement, écouter. Écouter la parole du Très-Haut. Écouter la parole du Très-Haut tu écoutes la parole du Très-Haut. Laissez-moi vous expliquer ce nom Très-Haut. Ça, c'est le Dieu Tout-Puissant, le Dieu des cieux, celui qui ne peut faillir. Et vous savez, tout ce que quelqu'un a dit contre ta vie, de la vallée, le Très-Haut va annuler cela. Tout ce qu'ils ont dit, sous la terre, dans la forêt, le Très-Haut va annuler cela. Tout ce qui viendra de l'océan, de la forêt, de l'esprit de la forêt ou de l'esprit des eaux, ou bien de quelque esprit que ce soit, le Très-Haut, le Très-Haut, le Très-Haut, il n'y a rien, il n'y a aucune parole, il n'y a aucune puissance, il n'y a, a rien qui est plus élevé que le Très-Haut. Alors, ce que le Très-Haut dit ce soir, tel comme tu es là, il va annuler tout ce qui est sous le soleil. Il va annuler tout ce qui est sous la mer. Le Seigneur est venu pour te bénir ce jour. Écoute donc, écoutez la parole du Très-Haut. Voyez Ézéchiel chapitre 3 verset 10. Il dit, il me dit, fils de l'homme, reçois, reçois dans ton cœur reçois dans ton cœur et écoute de tes oreilles toutes les paroles que je te dirai. Comment tu, vas être guéri Ce n'est pas ta main qui va te dire que tu es guéri, c'est ton cœur. Ce ne sont pas tes yeux qui vont te dire que tu es guéri, c'est ton cœur. C'est la parole qui vient dans ton cœur. Et ton cœur, une fois que ton cœur est d'accord je te guérirai. Ton cœur est d'accord. Je vais te sauver. Ton cœur est d'accord. Je vais te délivrer et ton cœur est d'accord. Ce que ton cœur a entendu et a accepté, ce cœur va envoyer l'information à tes yeux que tu peux maintenant t'ouvrir, tu peux voir. Ce cœur va envoyer l'information à tes pieds. Maintenant, tu peux, tu es guéri. Tu peux te lever et marcher ton cœur enverra l'information à toutes les parties de ton corps. Et Dieu merci, ton miracle est là. Il dit, il me dit, fils de l'homme, reçois dans ton cœur et écoute de tes oreilles toutes les paroles que je te dirai. Verset 17. Verset 17, fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Chapitre 37, Ézéchiel 37, verset 4. Ézéchiel 37, 4. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez, eaux desséchés, ossements desséchés, écoutez, peu importe ta condition, osma desséché, corps desséché, cerveau desséché, cellule desséchées, quelle que soit la chose, tout ce qui est desséché, le chemin, la nouvelle vie va venir. C'est que tu écoutes. Il parle. Toi, tu écoutes. Écoutez la parole de l'Éternel, verset 5. Ainsi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à 16 voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Et vous vivrez. Et vous vivrez. Vous qui êtes atteint de patient, vous ne mourrez. Cancer, vous ne mourrez pas. La personne qui a ce qu'ils appellent maladie incurable, tu ne mourras pas. Tu écoutes la parole et tu vivras. Verset 10. Verset 10. Je prophétisais selon l'ordre, je parlais, je déclarais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit entra en eux. Quand j'écoute du ciel, et je te dis ce que j'ai écouté, et toi tu acceptes, et toi tu reçois, l'Esprit entrera en toi, la vie entrera en toi une nouvelle vie, une grande vie, une longue vie viendra pour toi au nom de Jésus. Et je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'Esprit entra en eux. Et ils reprirent vie. Chacun, est repris vie. Tous reprirent vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'est une armée nombreuse, très nombreuse. Une armée très nombreuse. Parler premièrement. Deuxièmement, écouter. Ensuite, ouvrir. Ouvrir. Ouvrir les portes pour les opprimer. Ouvrir les portes pour les oppresser. Toute oppression de ta vie est ôtée comme les portes s'ouvrent. Tu dois sortir. Je dis, tu dois sortir. Vous savez des gens, Paul et Silas, ils ont prié ils ont chanté des louanges à l'Éternel. Et les fondements de la prison ont été ébranlés et les portes s'ouvrirent. Mais, même si les portes étaient ouvertes, ils se regardaient, ils ne sont pas sortis et le geôlier philippien est venu. Il a pris l'épée et il voulait se tuer. Paul l'apôtre a dit, ne t'en fais pas, ne te tue pas. On est encore tous là. Hein. Personne n'est sorti. Personne n'a bougé. Quand les portes étaient ouvertes maintenant, ne fais pas comme ça. Ce soir, ta porte sera ouverte. Les portes seront ouvertes. Et comme les portes s'ouvrent, tu vas sortir de l'oppression. Tu vas sortir des puissants maléfiques. Tu vas sortir de cette oppression et cette maladie. Tu en sortiras ce soir au nom de Jésus. Ézéchiel 37, verset 12. Prophétie donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. J'ai raté votre amen. J'ouvrirai vos sépulcres. La chose la plus impossible dans le langage de l'homme, si tu es enfermé, on peut chercher la clé et te sortir et tu vas sortir tu es enfermé dans un pays, nous pourrons pousser, pousser les choses et finalement, les portes vont sortir et tu vas sortir. Mais quand tu as quitté la terre et tu es maintenant sous, dans les sépulcres, le seul qui peut ouvrir les sépulcres pour que tu en sortes, c'est le Dieu Tout-Puissant. Et quiconque a été enfermé dans l'oppression et te voici dans le dent, dans les sépulcres, sont ouvertes ce soir. Dieu dit, j'ouvrirai, je le ferai, je le ferai. Jésus a été crucifié. Alors, il est mort. Ils l'ont mis dans le, tombeau. Et ils ont roulé grosses pierres grosse pierre inamovible sur la tombe, et les soldats étaient autour. Alors, quand Dieu a dit, je ferai, aucun soldat ne peut arrêter cela. Quand Dieu dit, je le ferai, aucune religion juive ne peut arrêter ça. Quand Dieu dit, je le ferai, aucune pierre ne peut changer cela. La puissance est venue du ciel. Roulez la pierre toute pierre qui t'ont gardé dans cette sépulcre est balayée ce soir au nom de Jésus. Et le tombeau a été ouvert et Jésus est sorti. Tu vas sortir. Dans la puissance de Dieu, tu sortiras de cette oppression, de cette puissance maléfique qui t'opprime. Tu sors au nom de Jésus. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, ô mon peuple. Je vous ferai sortir de vos sépulcres. Et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Verset 13. Verset 13. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô oh, mon peuple. Verset 14. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Gloire à Dieu, tu vivras. J'ai dit gloire à Dieu, tu vivras. Même ce soir, ce soir, si tu es même proche de la tombe, tu es sur le point d'être enterré, la puissance vient maintenant. La puissance de résurrection la puissance du ciel viendra sur toi et tu vivras. Si tu as un certificat de décès, d'impossibilité, on a écrit ça là-bas pour dire c'est fini. Ah ah, ce n'est pas encore fini. Hein? C'est pourquoi tu es connecté aujourd'hui à cette croisade. Tu vivras. Et vous saurez que moi l'Éternel j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Il y a l'accomplissement dans ta vie, un miracle dans ta vie. Premièrement, parler. Deuxièmement, écouter. Troisièmement, ouvrir. Troisièmement, quatrièmement, avertir le peuple. Avertir le peuple en tant qu'une sentinelle ferme il vient vers toi. Ézéchiel nous montre ce qui est arrivé. Premièrement, parler. Deuxièmement, écouter. Troisièmement, ouvrir. Et maintenant, quatrièmement, avertir. Avertir le peuple en tant qu'une sentinelle ferme. C'est pourquoi il vient. Il avertit et dit, voici ton temps. Ne rate pas le temps tu ne rateras pas ton temps au nom de Jésus. Ézéchiel, chapitre 3, verset 17. Ézéchiel 3, verset 17. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part verset 18, Quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne le parles pas, pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, est-ce que vous remarquez quelque chose ici J'ai dit au méchant, tu mourras. Vous savez, certaines personnes, ils lisent une partie de la phrase. Tu mourras. Il y a des gens, ils écoutent le début et ils n'attendent pas pour écouter la fin de la phrase. Pour sauver sa vie. Même le prophète te dira que tu mourras. Même la parole de Dieu te venant avec une grande prophétie peut te dire, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Même, tu peux toujours avoir la vie. Tu peux toujours avoir la vie. Ézéchiel, en tant que sentinelle ferme, vient et il avertit le peuple et dit, vous sauvez leur vie, Ce méchant mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son sang. Verset 19. Mais, mais, si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité, et toi, tu sauveras ton âme. Verset 20. Verset 20. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra. Un juste, un rétrograde, il rejette la justice. Il dit, si je suis juste, je ne vais pas avoir tout je ne veux pas avoir tout ceci. Si je suis juste, je ne veux pas jouir de ceci ou de cela. Et jette la justice. S'il meurt dans cette condition, parce que tu ne l'as pas averti, il mourra dans son péché. On ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée. Et je te redemanderai son sang. Mais, je te redemanderai son sang. Verset 21. Verset 21. Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher et qu'il ne pêche pas, il vivra. Parce qu'il s'est laissé avertir. Il vivra. Ça, c'est moi. Ça, c'est moi. L'avertissement que tu reçois de la parole de Dieu tu demeures dans l'avertissement, tu acceptes l'avertissement, tu acceptes l'avertissement et tu crois et tu vis selon l'avertissement qui t'a été donné. Tu vivras parce qu'il s'est laissé avertir. Et toi, tu sauveras ton âme. Et je prie, tout ce que Dieu nous donne comme avertissement que le péché cause la mort, le péché cause le jugement, le péché, si, si on ne s'en repent pas, peut amener un homme, une femme, un garçon, une fille, petit et grand, passer l'éternité très loin de Dieu, dans un lieu, dans le feu. Alors, tu écoutes l'avertissement et tu acceptes l'avertissement et tu vis dans la grâce de Dieu à cause de l'avertissement, tu vivras. Aujourd'hui, tu vivras. Et tu vivras longtemps. Ensuite, éternellement, tu vivras au nom de Jésus. Maintenant, le point suivant, réclamer réclamer les bénédictions de l'Éternel. Rappelez-vous, Ézéchiel nous donne le ministère qui va nous aider à avoir une meilleure vie à travers les plus de bénédictions. C'est pourquoi nous écoutons Ézéchiel ce soir et toutes ces références viennent d'Ézéchiel. Ézéchiel 36, 36-37. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici encore ce quoi je me laisserai fléchir. Nous irons à lui et nous allons prier et nous allons lui demander. Je me laisserai fléchir par la maison d'Israël. Voici ce que je ferai pour eux. Nous parlons du salut. Tu peux réclamer, tu peux demander nous parlons de la guérison, tu peux réclamer, tu peux demander et prier. Je parle de l'effusion, de la bénédiction, de la puissance de Dieu sur eux. Ils peuvent demander, ils peuvent réclamer. je le ferai pour eux. J'ai parlé des prodiges, de la vie changée, des prodiges, de la vie transformée. Ils doivent réclamer, ils doivent demander, ils doivent prier. Et je le ferai pour eux. J'ai parlé de d'éliminer toute mauvaise chose qui est venue dans leur vie. Ils doivent réclamer et je le ferai pour eux. J'ai parlé du recouvrement, recouvrement de toute infirmité. Ils doivent réclamer et je le ferai pour eux. J'ai parlé de la surabondance. Et l'abondance du Seigneur viendra dans ta vie ce soir alors ils doivent réclamer et je le ferai pour eux. Voyez ceci. Ainsi par l'Éternel, voici encore ce quoi je me laisserai fléchir par la maison d'Israël. Voici ce que je ferai pour eux. Je multiplierai les hommes comme un troupeau. Et ce sera fait. J'ai dit ce sera fait. Verset 11 de ce même chapitre, tu vas réclamer, tu vas demander, tu vas prier, tu vas demander et le fera pour toi. Verset 11. Je multiplierai sur eux, sur vous, les hommes et les animaux. Ils multiplieront et seront féconds. Je vous ferai, tu porteras de fruits. Tu seras productif. Après la croisade de plus de bénitions, tout ce que ce qui était dormant reprendra vie dans ta vie au nom de Jésus. Et tu porteras de fruits. Et je vous, je veux que vous soyez habités comme auparavant. Et je vous ferai plus de bien qu'autrefois. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Mais tu dois réclamer avant que je ne le fasse pour eux. Verset 25. Verset 25. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Ton cœur sera purifié, assez pur pour aller au ciel. Ta vie sera complète, ta famille sera complète, et toutes choses sales, souillures autour de toi, il va tout purifier au nom de Jésus. Ensuite, je répandrai sur vous une eau pure vous serez purifiés. Vous serez purifiés. Vous serez purifiés. J'ai dit que cette personne, tu seras purifié. Que Dieu te bénisse là-bas, c'est fait. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Verset 26, il dit, je le ferai, je vous donnerai un cœur nouveau. Je pas entendu ton amen un cœur nouveau, un cœur nouveau, un cœur nouveau. Je vous donnerai et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Le cœur de pierre. Je n'entends pas ton amen. Parfois, tu, tu es vivant, tu es actif, la passion, tu es zélé, et ton cœur dit va, va le prendre. Le succès va le prendre. Et cette vision que tu as va poursuivre. Et tu vas l'avoir. Mais quand tu quittes la réunion, ton cœur est comme mort. Tous les désirs, toutes les aspirations. Je veux être quelque chose, quelque chose dans le monde, quelque chose dans le royaume, quelque chose dans l'église, quelque chose pour la gloire de Dieu je veux être cette passion est partie. Et il y a plein de zèle. Il n'y a pas de vie. La ferveur pour vouloir avoir tout est partie. Maintenant, le Seigneur dit, ce cœur de pierre, ce cœur qui n'a pas la passion et qui n'a pas le zèle encore et qui n'a pas l'enthousiasme est mort là-bas, comme une pierre. Le Seigneur dit, je vais ôter ce cœur de pierre. Et dit, un cœur nouveau. Quelqu'un là-bas, cœur nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau. Parfois, vous savez, le cœur est de pierre. Et le cœur de pierre est si dur. Il n'écoute rien il est endurci, il est de pierre, il est têtu, il, est, il ne bouge pas, il ne se soumet pas. Et tu te demandes, je veux aussi, mais mon cœur est de pierre. Le Seigneur se soit dit, je le ferai. Quelqu'un crie, je le ferai. Il va ôter le cœur de pierre, le cœur têtu, le cœur endurci, le cœur de Pharaon. Il va ôter de ta vie ce soir et ensuite tu auras, ton cœur sera absorbé par la Bible. Donc un cœur de chair, je vous donnerai un cœur de chair. Le Seigneur le fera. Au salut, il nous donne l'accomplissement du verset 25. Il nous purifie, il nous lave. Et maintenant, toute impureté, tout est enlevé. Au salut, verset 26 parle de la sanctification. Quand il vient, et maintenant, il fait un déracinement. Et il dit, cette nature du péché, cette nature d'Adam, je vais le déraciner cela. Et il va tout déraciner de ta vie au nom de Jésus. Il va te sauver. Il va te sauver. Mais tu dois réclamer, tu dois me demander Pourquoi je le fasse pour toi et il va te sanctifier. Et cette sanctification, tu dois réclamer cela à l'Éternel. Verset 25, le salut, verset 26, la sanctification, verset 27 là-bas. Je, voici l'effusion et le baptême et l'immersion dans le Saint-Esprit. Je mettrai mon esprit en vous. Et je que vous observiez pratiquer mes lois. Quelqu'un crie Amen. Pour le salut, tu dois réclamer, demander pour qu'il le fasse pour toi. Pour la sanctification, la sainteté, il, tu dois demander pour qu'il le fasse pour toi. Ensuite, pour la puissance du Saint-Esprit, l'immersion, tu dois demander au Seigneur, Dieu merci, il le fera pour toi chapitre 36, verset 36, et les nations qui resteront autour de vous sauront que moi, l'Éternel, j'ai rebâti ce qui était abattu et planté ce qui était dévasté. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Tout ce que Dieu a dit, il le fera tout ce que Dieu t'a dit sur les plus de bénédictions venant sur toi, il le fera au nom de Jésus. Verset 37. Verset 37 nous dit, Ainsi, tu as entendu ce qui a été dit, tes sépulcres sont ouverts maintenant, tu as l'émancipation totale. Et tu demandes au Seigneur il dit Ainsi par l'Éternel, le Seigneur l'Éternel, voici encore ce quoi je me laisse réfléchir. Vous voyez, toute promesse, nous devons réclamer, toute prophétie attire dans nos vies, ce n'est pas la prière. Tout ce que Dieu a promis, nous nous l'attirons cela par la prière. Oui. Pour tout ce qui est promis et toutes les proclamations. Voici, encore sur, quoi je me laisse réfléchir par la maison d'Israël, voici ce que je ferai pour eux. Il le fera pour toi. J'ai dit, le fera pour toi. Le point suivant, se repentir. Se repentir. Nous nous rapprochons du sentier, du lieu, où tout ce que le ciel a pourvu ce soir où ça, va être, ça se sera donné. J'aurai, je recevrai, j'aurai. Toutes les promesses de Dieu seront oui et amen dans ma vie au nom de Jésus. Ézéchiel, chapitre 18. Le point suivant, c'est se repentir restaurer, retourner au Rédempteur. Et comme tu viens, et tu dis ce soir, c'est ma soirée, je reviens, je reviens, je restaure, et je me répands. Le Rédempteur prendra ta vie, te donnera le salut, il te donnera la vie éternelle, il te donnera une nouvelle vie. Ce n'est pas que je suis sauvé, ah bon, je suis comme j'étais avant. Non, il te donnera cette sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et ta vie sera sainte, droite, juste et pure au nom de Jésus. Ézéchiel 18, verset 23. Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt, dit le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change, voyez cela, n'est-ce pas qu'il change de conduite, qu'il change de conduite et qu'il vive Le Seigneur espère que quiconque veut avoir la nouvelle vie, les plus de bénédictions et le progrès, quiconque veut avoir tout ce que le Seigneur a promis que tu reviennes, hein. que tu reviennes du désert du péché, que tu reviennes hein, du mal de ta communauté, que tu reviennes hein, des gangs, du gangstérisme, de toute mauvaise chose dans laquelle tu étais, que tu reviennes de tes mauvaises voies et tu vivras. Et tu vivras. Ézéchiel 18, verset 30. Verset 30, il dit, c'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies, maison d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel. Voyez maintenant, revenez, ça c'est le mot, revenez, repentez-vous, c'est ce qu'il espère, repentez-vous. Dans chaque génération, ceux qui, nous, qui sont allés loin de Dieu dans leur péché, dans leurs mauvais actes, dans leur idolâtrie, dans leur occultisme, dans leur méchanceté, dans leur violence, avant que le salut ne vienne, avant que la rédemption ne vienne, avant que la nouvelle vie ne vienne, il veut qu'ils se repentent. Il dit, repentez-vous, revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que, pas certaines, toutes, pas quelques-uns, toutes, pas la majorité de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Verset 31. Verset 31. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël Verset 32. Verset 32. Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur, l'Éternel. Convertissez-vous donc. Revenez. Tu reviendras au Seigneur. Tu reviendras au Seigneur ce soir. Tu diras au revoir à Satan. Tu diras au revoir à tous tes péchés et aux transgressions. Tu diras au revoir aux mauvais esprits. Tu diras au revoir à toutes les souillures et à toutes les violences du passé et dit, convertissez-vous donc et vivez. Tu vivras. Je vivrai. Ézéchiel 33, 15. Ézéchiel 33, 15, verset 15. S'il rend le gage, Ézéchiel dit, le Seigneur m'a envoyé pour vous envoyer les pluies pour une meilleure vie. Et la parole que Dieu m'a donnée, ce que je ferai, il m'a dit, parle. Ce que tu dois faire, il m'a dit, écoute. Ce que lui fera, il m'a dit qu'il va ouvrir. Il va ouvrir tes sépulcres. Ensuite, ce que je dois faire encore, aider. je dois t'avertir. Et ce que tu dois faire, c'est que tu dois réclamer et ensuite, tu vas te repentir, tu vas restaurer, tu vas retourner au Rédempteur. Et quand tu viens ce soir, il ne va pas t'abandonner, il ne va pas te rejeter. Au nom de Jésus. Ézéchiel 33, verset 15. S'il rend le gage, s'il restitue ce qu'il a ravi, s'il restitue ce qu'il a ravi, ce qu'il a volé, il restitue au propriétaire légitime ce qu'il a pris injustement, par le mal, par les pratiques maléfiques, il va retourner cela au propriétaire légitime. S'il rend le gage, s'il restitue ce qu'il a ravi, s'il suit les préceptes qui donne la vie sans commettre l'iniquité, il vivra. Il vivra. Quelqu'un là-bas, il vivra. Aujourd'hui, c'est le jour de la nouvelle vie, la vie éternelle, la vie éternelle, la vie céleste, pour toi au nom de Jésus. Il vivra il ne mourra pas. Verset 16. Verset 16. Tous les péchés qu'il a commis seront oubliés s'il pratique la droiture et la justice. C'est quoi Il s'est repenti. C'est quoi Il a restauré ce qu'il a volé avant. C'est quoi Il a retourné il est retourné au Seigneur, au Rédempteur. Il a fait ce qui est droit, juste. Il vivra. Verset 19, verset 19. Mais si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la justice, la droiture et la justice, il vivra à cause de cela. Je vous apporte la vie ce soir. Je vous apporte la vie éternelle ce soir je vous présente la vie céleste ce soit à chacun ce soit au nom de Jésus. Et quand vous vous repentez, vous venez au Seigneur, votre Rédempteur, il qui est moi pour vous sur la croix du calvaire, une nouvelle vie viendra pour vous. Et la puissance hein, pour vivre au-dessus du péché, au-dessus de toutes les faiblesses et les défauts du passé, la puissance hein, pour mener la nouveauté de vie, le Seigneur vous l'accorde. Le dernier élément, dernier point, soumettre les cœurs de pierre au Sauveur. C'est lui qui peut faire la conversion et changer la pierre en, chair. C'est celui qui peut faire le miracle de conversion, un miracle de récréation, un miracle que tout le monde pourra voir que Pharaon, que Nebuchadnezzar a changé, que le l'homme au cœur endurci, cette femme au cœur endurci, ce garçon, cette fille au cœur endurci, le miracle de conversion a eu lieu et maintenant la pierre a été changée en chair. Mais tu dois soumettre et dire Seigneur, je ne peux pas le faire moi-même le salut, je ne peux pas me le donner moi-même. La vie éternelle, je ne peux pas la donner moi-même. Une nouvelle vie, je ne peux pas me la donner moi-même. Le cœur de chair, je ne peux pas faire semblant que, et pas hypocrisie, l'exécuter. Non, c'est toi et toi seul qui peux le faire. Et le Seigneur le fera dans ta vie ce soir au nom de Jésus. Comme tu te soumets. Je vais me soumettre. J'ai dit, je vais me soumettre. Tu peux m'entendre, je vais t'entendre aussi. Je vais me soumettre. Et le Seigneur te donnera cette nouvelle vie. Un cœur de chair, un cœur tendre, un cœur qui de, sensible, un cœur sensible au guide et à la direction du Seigneur. Le Seigneur te le donnera au nom de Jésus. Ézéchiel chapitre 11, verset 19. Je leur donnerai un même cœur. Je leur donnerai un même cœur. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre. Et je leur donnerai. J'attendais ton Amen. Et je leur donnerai un cœur de chair. Le cœur est le centre de la vie, même dans la vie physique. C'est le cœur qui pompe tout le sang partout. Et si ce cœur est de pierre et n'arrive pas à agir, n'arrive pas à faire son travail, tu es mort. Le cœur est au centre de nos actions. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et si ce cœur est de pierre, alors ta vie sera pécheresse. Mais Dieu dit, j'ôterai le cœur de pierre de leur corps, et je leur donnerai un corps, un cœur de chair. Un autre Amen. Verset 20. Verset 20, il nous dit, afin qu'ils suivent mes ordonnances. Quand je leur donne, pourquoi je vais donner le cœur du cœur Pourquoi je vais ôter le cœur de pierre Pourquoi est-ce que je vais ôter l'entêtement de cœur Pourquoi je vais ôter la, la dureté de cœur Pourquoi je vais ôter ce cœur pécheur de la vie et leur donner un cœur de chair. C'est pour que ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois. Et ils seront mon peuple. Et je serai, aussi longtemps que le cœur de Pierre là, aussi longtemps que le cœur têtu de Pharaon est là-bas, tu ne peux pas être un enfant de Dieu. Mais il ôte le cœur de Pierre et te donne un cœur de chair, afin qu'ils soient mon peuple et je serai leur Dieu. Amen. Ézéchiel 36, 25. 36 d'Ézéchiel 25. Je répandrai sur vous une eau pure. Sur qui Sur toi. J'ai dit sur qui et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et je vous purifierai de toutes vos idoles. Verset 26, il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai. Voyez cela. La deuxième fois. La deuxième fois, il le dit. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Ce sera fait. J'ai dit, ce sera fait. Pour qui J'ai dit, pour qui Est-ce qu'il est là ce soir Est-ce qu'elle est là ce soir Est-ce qu'il fuit là-bas avant la fin de la réunion Est-ce qu'il va rester pour la prière Est-ce qu'elle va permettre à Dieu de faire tout ce que Dieu a prophétisé, proclamé, prononcé et prêché qui perd, ce sera fait. Ce sera fait. Maintenant, nous avons écouté et il va nous donner les, les septuples averses. Le salut est venu. La sainteté est venue. Non seulement cela, l'effusion de son esprit est venue. La bonne santé. Quelqu'un crie bonne santé. Les attentes, le recouvrement et la force, ça va t'arriver. Le Seigneur va commencer par le salut. C'est là qu'il commence. Si les fondements sont renversés, que fera le juste Le fondement c'est le salut de Dieu. La tête baissée, les yeux fermés. Je vous souhaite la bienvenue ce soir à cette grande possibilité de votre vie. Qu'Ézéchiel, non, a parlé Ézéchiel, et vous donnera un si grand salut. C'est pour vous ce soir. Je dis, c'est pour vous ce soir. La tête baissée, les yeux fermés tu veux avoir, tu veux recevoir, tu veux jouir, tu veux expérimenter ce si grand salut pour que tous tes péchés soient pardonnés, pour que ta vie soit transformée. Et le ciel va enregistrer ton nom, que tu es participant du salut du Seigneur, même ce soir, partout où tu es, hein. lève ta main Gloire à Dieu. Merci. Lève ta main. Tu dis ce soir, je veux le vrai salut du ciel. Et pas quelque chose que je devine que j'ai. Hein, peut-être que j'ai. Non, si tu n'es pas sûr. Même si tu allais dans une bonne église avant, mais tu veux avoir une expérience définie du salut, pas toi, tiens, lève ta main, il va toucher ton cœur, il va transformer ton cœur, une nouvelle chose va t'arriver dans ta, dans vie, vie, dans ton cœur. Vous qui levez la main, que Dieu bénisse là-bas. Levez-vous maintenant. Mettez-vous debout maintenant. Levez-vous comme un soldat de Christ. Toi qui lèves la main, lève-toi. Partout tu es ce soir. Je veux ton salut, Seigneur. Et il ne va pas t'en priver. Il dit qu'il ne va plus retarder. Aujourd'hui, il te donnera cela. Tu es là, tu veux le salut. Lève-toi. Comme tu te lèves, prie. Ferme tes yeux. Tu dois réclamer au Seigneur, demander au Seigneur. Maintenant, prie. Dis Seigneur, je veux le vrai salut ce soir. Je veux la nouvelle vie. Je veux un salut authentique. Je veux le salut du ciel. Et je veux un changement de vie. Ouvre la bouche et prie. Je veux la transformation totale de vie. ôte le cœur têtu de ma vie ôte le cœur pécheur de ma vie, ôte ce cœur de pierre de ma vie. Accorde-moi ton salut, Seigneur. Prie, prie, prie. Répands-toi. Rappelle-toi, tout ce qui est volé, que tu as sous ta possession, tu dois être prêt à restaurer cela au propriétaire. Tu dois être prêt à faire la restitution et à régler. Seigneur, accorde-moi cette nouvelle vie. Et ça va arriver. Ça va arriver. Ça va t'arriver. Est-ce que tu es là-bas maintenant? Tu lèves ta main. Lève-toi maintenant. La main levée toujours. Toujours debout. Je vais prier pour toi. Père, au nom de Jésus, nous te remercions. Nous avons entendu. Tu as dit que tu vas ouvrir nos sépulcres et tu vas nous faire sortir dans ta grâce. Fais-le ce soir au nom de Jésus. Tu as dit que tu vas purifier. Tu as dit que tu vas laver toutes les souillures. Fais-le dans chaque vie maintenant au nom de Jésus. Qui est le salut? Qui est la justice? Qui est la sainteté? Qui est un changement de vie dans chaque vie de ceux qui t'invoquent au nom de Jésus. Seigneur, envoie-le du ciel. Seigneur, accorde la foi pour avoir et recevoir et expérimenter cela maintenant. Merci Seigneur, parce que je sais que tu as exaucé. C'est fait. C'est fait. Ta promesse est accomplie. C'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Soyez les bienvenus. Soyez bienvenus dans le royaume de Dieu. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Ceux qui donnent leur nom dans les différentes églises, dans les différentes nations, donnez-leur les fiches de décision, aidez ceux-là qui ne savent pas écrire, les surveillants, les conseillers, qui donnent les renseignements, les informations demandées sur la fiche. Renseignez bien les fiches de décision Je vais nous rappeler aujourd'hui, c'est ton jour. Ce soir, c'est ta soirée. Non seulement que tu vas écouter, ta bouche parlera. Tu vas témoigner. Quand est-ce que tu le feras Ce soir. Prépare-toi. Et dis au revoir à tes problèmes. Dis au revoir à tes maladies, à tes oppressions. Tu seras libéré ce soir. Recevons rapidement ceux qui ont donné leur vie au Seigneur. Nous autres, soyons en esprit de prière, en nous préparant pour ton miracle. Les pluies vont tomber pour toi ce soir. Je recevrai mes pluies de bénédiction. Tu recevras tes pluies de bénédiction. Quand les pluies vont tomber, tout ton corps sera touché tu seras sous la touche divine ce soir. Le ciel va s'ouvrir sur toi. Tu recevras les cris de louange. Tu vas témoigner ce soir. Et devons attendre jusqu'au dernier témoignage. Parce que toi aussi tu vas témoigner. Comme les autres t'écoutent, tu vas les écouter aussi. Donc, restons sur place, même au cours des témoignages. Continue à espérer. Espère ton miracle. Mon miracle est venu. Mon miracle est là. Ton miracle est là. Prépare-toi. Aujourd'hui, c'est ton jour. C'est mon jour aujourd'hui. que les pluies commencent à tomber. Préparez-vous à tes problèmes qui vont partir ce soir. Ils vont partir. Prépare-toi. Prépare-toi. Prépare-toi. Ce soir, c'est ta soirée. Ce soir, c'est ta soirée. Ce soir, c'est ta soirée. Je vois tes problèmes prendre la fuite. Je vois tout ce que le diable tomber de ta vie. Prépare-toi. Ce soir, c'est ta soirée. Comme notre pasteur vient maintenant, ton miracle est certain. Prépare-toi. Prépare-toi. Prépare-toi. Le ciel dit à tes problèmes, à tes infimités, à, vos mal préparés, ils vont partir. Ils vont partir. Ce soir, c'est ta soirée. Le ciel va te visiter tu recevras la touche du Seigneur. Ce soir, c'est ta soirée. Dieu va remplir ta bouche de grands sourires. Prépare-toi. Prépare-toi. Prépare-toi, ne pleure plus. Efface tes larmes. Ce soir, c'est ta soirée. Gloire à Dieu. Tout le monde là-bas espère ton miracle. Tu espères la puissance de Dieu et tu espères que Dieu fasse ce qu'il a promis faire. Il il sait que tu es là et il te voit là-bas. La puissance d'en haut. Quelqu'un aide-moi à crier puissance. Ça viendra sur toi ce soir au nom de Jésus. Tous tes problèmes vont les balayer. Toutes tes infimités vont les balayer cette faiblesse qui fait que tu es assis là-bas, couché là-bas, désespéré, comme s'il n'y a pas de puissance, comme s'il n'y a pas d'énergie, pour que tu te lèves. Cette puissance viendra sur toi maintenant. Rappelle-toi. Il voit dans la journée, il voit dans la nuit, il voit dans la lumière. Dieu même voit dans les ténèbres. Partout tu es, cette puissance de guérison, cette puissance de délivrance viendra sur ta vie maintenant même, au nom de Jésus. Il a dit, je le ferai, je le ferai. Et tout ce qu'il a déclaré, tout ce qu'il a prononcé, il a dit, tu peux faire. Et ça ne tardera pas, ça ne tardera pas. C'est le moment de ta guérison, le moment de ton miracle, le moment de ta délivrance. Prépare-toi, ça vient pour toi. Où es-tu Tu as une infirmité, tu as une maladie, tu as une paralysie et tu as l'aveuglement, la cécité, quel que soit le problème. Le Seigneur va te rencontrer selon ton besoin. Tu lèves une main et tu imposes l'autre main là où tu as le problème. Hein, ce sera fait. Ce soir, c'est ta soirée. Es-tu prêt? Lève ta main et impose l'autre main là où tu as le défi. Le miracle vient sur ta vie maintenant même. Je crois. Je crois. Qu'il te soit fait selon ta foi au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, on te remercie pour la parole et ce que tu nous as envoyé. Seigneur, tu es Dieu, tu ne changes pas. Tu es capable, tu es disposé et tu le feras maintenant. Et tu nous as rassuré que tu ne vas pas retarder, tu ne vas pas différer l'accomplissement de tes promesses. Seigneur, pour quiconque ici, quiconque en ligne, quiconque dans une localité, tous ceux qui sont dans les pays connectés maintenant, fais-le au nom de Jésus. Tous ceux qui sont malades, ceux qui sont infirmes, infirmes ceux qui ont une pression, je prie Seigneur, délivre et affranchis-les au nom de Jésus. Seigneur, que ta puissance de guérison coule de la tête jusqu'à la plante des pieds, du, de la plus partie vers le bas, qu'il reçoit maintenant guérison miraculeuse. Guérison miraculeuse. La guérison surnaturelle. Confirme-le pour chaque vie, maintenant même, au nom de Jésus. Les yeux aveugles, par l'Esprit de Dieu, je vous commande Soyez ouverts au nom de Jésus. Langue muette, oreille sourde, soyez libérés. Commencez à écouter au nom de Jésus. Tout enflement sur ton corps, goitre, hernie, toute chose. Je prie maintenant, soyez guéris au nom de Jésus. Ceux qui sont paralytiques, paralysés, ayant d'AVC, je prie, que la puissance définie, dynamique du Seigneur vienne sur ton corps maintenant. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Sois guéri au nom de Jésus. Je prie pour ceux qui ont des cancers, ulcères, problèmes de foi, maladies incurables. Je prie. Les impossibilités seront possibles dans ta vie. Soyez guéri au nom de Jésus. Seigneur, partout maintenant, à gauche, à droite, au centre, devant, derrière, et partout où ils sont connectés ensemble. Manifeste ta puissance, manifeste ta gloire, manifeste ta puissance de guérison et guéris tout le monde maintenant au nom de Jésus. Confirme tes miracles sur chacun. Miracle défini Miracle instantané, miracle indéniable dans chaque vie, maintenant même. Merci Seigneur, parce que le Dieu qui ne peut faillir, tu l'as fait, tu l'as fait, tu l'as fait. Au nom de Jésus, nous prions. Tu l'as eu. Fais ce que tu n'avais pas fait avant et tu verras la manifestation définie de la puissance de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. C'est fait. Ce que tu n'avais pas fait avant, fais-le maintenant. C'est fait. Ouvre tes yeux, tu vas voir que les paratiques se lèvent pour marcher. comme tu reçois ton miracle, crie gloire à Dieu là où tu reçois ton miracle. Nous voulons nous réjouir avec toi. Oui, ça se passe. Ça se passe. Examine-toi, crie gloire à Dieu. C'est fait. C'est fait, alléluia. tu vois le miracle, gloire à Dieu. Examinez-vous. Nous voulons nous réjouir avec toi. Si tu vois ton témoignage, il y a un lien en ligne tu peux envoyer ton témoignage sur les réseaux sociaux. Le miracle est déjà là, ne le cache pas. Ce que tu n'as rien pas fait avant, fais-le. Lève-toi de ta chaise roulante. Voyez les numéros qui s'affichent. Vous pouvez aussi envoyer votre témoignage. Ce soir, tu entendras des choses, des miracles miraculeux. Examine-toi. Tu verras que tes miracles sont là. Rien n'est impossible à Dieu. Il l'a fait pour toi. Tu as déjà reçu. Sors pour témoigner. Le ciel se réjouit. Ne cachez pas vos témoignages. C'est fait ce soir. Tu es libéré. Ne cachez pas vos témoignages. Acclamez le Seigneur. Ne cachez pas vos témoignages. Le Seigneur l'a déjà fait. J'ai a fait de grandes choses ce soir. Il a fait de grandes choses. Et bientôt tu vas écouter les grandes choses que Dieu a faites ici, dans tous les lieux, partout dans le monde. Sur les médias sociaux, il a fait de grandes choses. Il a fait de grandes choses. Vous voyez la personne qu'on est en train d'amener et vos mains n'acclament pas Acclamez le Seigneur. Il a fait, il a fait, il a fait. La présence et la puissance de Dieu est là. Il est à l'œuvre, il est à l'œuvre. Il te touche là où tu es. Es-tu fatigué d'acclamer le Seigneur? Régis-toi devant le Seigneur. Il a fait de grandes choses pour nous. Des choses merveilleuses. Ne cachez pas vos témoignages. Préparez-vous. Si vous avez vos miracles, partagez-le avec vos dirigeants. Vous qui êtes en ligne, vous pouvez envoyer sur les numéros qui s'affichent. Ce soir, comme tu écoutes les témoignages, tu vas te réjouir. Le Seigneur l'a fait. Nous allons commencer avec le premier témoin. Donc, restez sur place. Examine-toi, le miracle est déjà là. Ne cache pas. Gloire à Dieu. J'ai été invité à ce programme depuis le premier jour. Le 27, j'ai participé au programme. Pendant que l'homme de Dieu prêchait, il a commencé la prière. Il a demandé de placer la main là on a le problème. Et j'ai obéi et j'ai mis ma main depuis de nombreuses années, j'étais né avec l'hémorroïde et on a dépassé beaucoup d'argent. J'ai dépensé mon salaire, il n'y a pas de produits naturels, d'herbes que je n'ai pas utilisées. Mais ce jour-là, tout... Je n'étais pas allé aux toilettes le premier jour, le deuxième jour, jusqu'au jeudi matin quand j'étais allé, j'ai découvert que l'hémorroïde externe que je poussais chaque fois que j'allais aux toilettes n'était plus là. Et quand j'ai dit à ma femme, elle a sauté de joie. J'ai dit que je dois témoigner parce que je sais que mon témoignage donnera ton témoignage. Que le nom de Dieu soit glorifié au nom de Jésus. Acclamez très fort le Seigneur hémorroïdes externes de plus de 30 ans disparus. C'est parti. Examine-toi et joins-toi aux autres pour témoigner